avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Cérémonie de passation de service entre le secrétaire général sortant et entrant au siège de la Confédération nigérienne des travailleurs CNT. C'était vendredi 21 janvier 2022 en présence de notre équipe composée de Abdelkader Ibrahim et Abdelraouf Deyabou. La Confédération nigérienne des travailleurs passe de Sako Mamadou à Mokela Halidou. La cérémonie s'est tenue au siège de la dite Confédération en présence des membres du bureau récemment élus, mais aussi de certains membres fondateurs de la centrale syndicale. Je tiens à saluer ce moment spécial où Sako doit dire au revoir à ses camarades prétendre à nous de sacrifice ultime dans une organisation syndicale devenue la plus représentative au plan national. Dans cet esprit, prendre part à la passation du pouvoir, Sako Halidou, est pour moi une tâche historique. Parce que les cœurs les plus proches ne sont pas ceux qui se touchent. Cependant, la tâche peut être difficile. Quand je regarde ces nombreuses années passées, combien chaleureuse, sereine et passionnante. Dire au revoir à Sako est aussi passionnant, surtout quand toutes ces années de travail s'écoulent dans un environnement où les membres fondateurs sont impliqués dans les activités, mais aussi considérés tant pour leur qualité humaine que pour leurs compétences syndicales. Après une présentation du comité exécutif euh, élu, ce fut l'allocution de l'ancien secrétaire général qui cède les rênes à un autre, mais confiant que ce dernier pourra relever les défis auxquels il fera face. Depuis que nous avons commencé à travailler avec le camarade Alidou, nous avons remarqué ses capacités de mobilisation. Il a le, profil pour prendre en charge la santé et conduire la santé à bon port. Faire mieux que ce que nous, nous avons fait. Au Congrès, il a été plébiscité. Parce que la CNT a toujours fait des congrès civilisés. Il n'y a pas de tiraillement, c'est dans la joie, dans l'allégresse que nous mettons nos bureaux en place, des hommes et des femmes engagés, compétents et disponibles. Et nous pensons que le cahier de charge que le nouveau bureau aura, euh, le nouveau bureau fera en sorte que la sainteté soit davantage représentative. Nous sommes conscients, camarade Halidou, pour ça. Euh, je remercie la CNT de m'avoir honoré, faire de moi le président d'honneur. Après presque 17 ans à la tête de l'organisation, je souhaite longue vie à tous les membres du bureau pour que les gens puissent faire Dieu même plus que nous. Il va travailler avec tout un chacun pour le rayonnement de la CNT. C'est les propos rassurants tenus par le nouveau secrétaire général. Après le congrès, il y a eu des résolutions et des recommandations mais également un cahier de charges qui vient de nous être confié. La lutte peut ne pas être facile, comme je l'ai dit, mais si nous sommes investis, il ne s'agit pas de l'investiture d'un secrétaire général. C'est un bureau qui vient d'être investi à travailler, donc un travail d'équipe. Et si aujourd'hui, la CNT, au niveau national, au niveau sous-régional, comme au niveau international, est reconnue c'est d'abord parce que les gens se sont battus, les hommes et les femmes. Et les deux anciens qui sont là ont dit tout ce qu'il y a de bon du camarade Sarko parce que il faut comprendre qu'il y a les relations aussi personnelles qui font grandir une organisation. Et c'est ce qui a amené la CNT là où elle est. Je ne serai pas long puisque c'est vraiment des choses qui viennent de nous être confiées, mais je voulais rappeler que si d'abord ma modeste personne est connue et arrivée là où nous sommes aujourd'hui, la CNT reconnue au niveau national, sous-régional et international, comme je l'ai dit, c'est parce qu'effectivement, nous avons toujours été accompagnés par aussi les hommes des médias qu'il ne faut jamais oublier. La presse, la presse privée nigérienne nous a beaucoup soutenus dans ce que nous sommes en train de faire. Et j'espère que c'est un partenariat qui va continuer, qui va durer, Inch'Allah. Le top départ est lancé pour euh, le nouveau bureau. Les enjeux sont énormes. Les défis aussi. On dira bon vent à cette nouvelle équipe pour euh, les quatre prochaines années. Cérémonie de clôture de la campagne de sensibilisation sur la lutte contre la délinquance juvénile, particulièrement la consommation de la chicha et l'utilisation abusive des réseaux sociaux, organisée par la division de la protection des mineurs et des femmes de la direction de la sécurité publique. C'était en présence du procureur de la République et de nos reporters Samy et Abdul Abdraman. Après sept semaines de sensibilisation dans les différentes communes de la région de Niamey sur la délinquance juvénile, particulièrement la consommation de la chicha, la campagne initiée par la division de la protection des mineurs et des femmes est à sa fin. Une campagne durant laquelle Plusieurs jeunes des différentes écoles et FADA de la capitale ont été assez édifiés sur les dangers liés à la consommation de ce produit nocif et sur l'utilisation abusive des réseaux sociaux en choisissant de convier le procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Niané et tous les services d'enquête, je pense que nous avons opté pour une approche de complémentarité et de synergie entre toutes les structures engagées dans la lutte contre la délinquance juvénile au Niger. Dans ce contexte, la coopération est essentielle entre tous les services chargés de l'application de la loi. Il est donc important de continuer à renforcer cette coopération et à mutualiser nos efforts. Je suis sûr que cette journée contribuera à susciter de nouvelles initiatives et à changer aussi le regard sur la prévention, vu comme l'un des piliers de la lutte contre la délinquance juvénile. Nous avons toutes les raisons de croire au succès de notre lutte. Après cette phase de sensibilisation, le procureur de la République rassure de l'engagement des autorités compétentes à passer à la vitesse supérieure tout en saluant l'initiative. En matière de prise en charge de la délinquance juvénile de manière générale, eh, la prévention occupe une place prépondérante. C'est un aspect important de la prise en charge de la délinquance juvénile. C'est en cela que je trouve cette démarche assez pertinente. Il s'agit d'une initiative très louable et j'ai été particulièrement émerveillé par la pertinence de l'activité et aussi le courage qui a caractérisé tous les membres qui ont contribué à la réalisation de cette activité. J'ai suivi des jours comme des nuits, j'ai suivi également les terrains souvent assez dangereux. Ils n'ont jamais hésité, ils n'ont jamais reculé. Ils sont partis à la rencontre des jeunes de tous les quartiers de Niamey. Le parquet a été particulièrement émerveillé par la pertinence de votre démarche et le courage aussi dont vous avez fait montre. Évidemment, si on passe par le volet prévention, si les choses marchent, s'améliorent, c'est un mieux pour tout le monde. Mais lorsque on se retrouve en face des récalcitrants, des gens qui n'ont pas obtempéré et qui n'ont pas bien perçu le message qui leur a été transmis. Naturellement, nous serons obligés d'évoluer vers la sanction, la répression. Nous ne souhaitons pas arriver à ce point, mais lorsque ça s'impose, on va le faire et on va le faire Procédant la clôture officielle de cette campagne, le directeur adjoint de la sécurité publique n'a pas manqué de remercier toutes les parties prenantes pour la réussite de cette campagne. Un homme averti en vaut deux, a t coutume de dire. Il est donc important de rappeler aux jeunes de la capitale qu'après la sensibilisation, c'est la répression et que tout recalcitrant fera face à la loi dans toute sa rigueur. C'est donc une étape importante de lutte contre la délinquance juvénile qui vient d'être franchie faudrait aussi noter que la campagne s'étendra bientôt aux autres régions du Niger. Après la clôture de cette campagne de sensibilisation sur la délinquance juvénile, un communiqué final a été rendu public. Il est lu ici par commissaire Nana Echetou Ousmane Bakou. Suivez un extrait. le 8 novembre 2021, cette campagne qui vise à réduire voire à éradiquer le phénomène de la consommation de la chicha et des autres produits stupéfiants par les jeunes, a pris fin le 12 janvier 2022. Les équipes de la division de la protection des mineurs et des femmes de la direction de la sécurité publique se sont rendues sur le terrain avec les autres services, notamment l'Office central de répression des trafics illicites de stupéfiants, la direction de la logistique et des infrastructures, la direction de la police de la ville de Miami, la direction du service central de l'information, des relations publiques et du sport pour rencontrer les étudiants, les jeunes scolaires et les jeunes des FADA pour discuter des conséquences de la consommation de la chicha, vulgariser les textes portant sur la législation des stupéfiants et la cybercriminalité au Niger, et celle sur les stratégies les mieux adaptées pour lutter contre ce fléau. La sensibilisation a touché les cinq arrondissements communaux de la ville de Miami et a atteint les cibles suivantes. 187 établissements scolaires, 87 313 jeunes, dont 52 345 filles, une soixantaine de fadas Visité avec un effectif de 1108 jeunes sensibilisés. Appréciée par beaucoup d'enseignants et parents d'élèves, l'approche utilisée est de prévenir la commission d'infraction à la loi pénale par les jeunes et par conséquent de lutter contre la délinquance juvénile. Cette campagne a permis de constater que la plupart des jeunes ignorent les méfaits associés à la consommation de la chicha qu'ils considèrent comme une mode. Les jeunes ont été largement sensibilisés sur les effets néfastes de la consommation de la chicha et des autres produits stupéfiants. Les autorités politiques et les partenaires doivent privilégier la prévention dans leur campagne de lutte contre ce phénomène. Ce phénomène. Sensibiliser le public en général et en particulier les jeunes en les amenant à prendre conscience des dangers auxquels ils s'exposent. Ceci constitue le moyen le plus efficace en matière de lutte contre les mauvaises pratiques liées à, la consommation de la chicha et de la drogue. La police nationale saisit cette occasion pour informer l'opinion publique que ceux qui enfreindront à la réglementation suivront dorénavant la rigueur de la loi. L'école Coët franco-arabe et de la classe elle a servi de cadre cet après-midi à une cérémonie de sensibilisation des élèves du dit établissement sur les élèves handicapés. C'était en présence des enseignants responsables des ONG et les élèves. Plus de précisions dans ce reportage de Ramat Oumarou et Abdel Nasser Initié par plusieurs collectivités de l'ONG ONEN, Tofi et Muriel Yara, cette activité vise à sensibiliser les élèves de l'école primaire côte franco-arabe sur l'injustice sociale que vivent au quotidien les enfants en situation de handicap et de valoriser la scolarisation de la jeune fille. Chers invités, chers camarades, élèves de l'école Koweït franco-arabe et de la classe passerelle, le gouvernement scolaire par ma voix vous souhaite la bienvenue. Tout d'abord, nous remercions l'ONG Onen, Tofi et Mournayara pour l'organiser de la présente cérémonie et d'avoir choisi l'école Koweït FA pour l'implantation de la classe passerelle. Il est aussi rappelé que l'école Koweït FA est une école pilote de handicap international. Pour le directeur de cette école, le droit à l'éducation pour les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental et inaliénable. C'est organisé et organisé dans le cadre de, comment on appelle ça, de l'éducation inclusive pour montrer, c'est une sensibilisation pour montrer aux parents d'élèves, à l'opinion publique nationale et internationale que l'enfant en situation de handicap, l'enfant handicapé peut toutefois étudier et être et aussi comme les autres élèves. Donc c'est dans le cadre de l'éducation inclusive. Donc euh, aux parents d'élèves, c'est de ne pas négliger les, enfants handicapés, de les amener à l'école, de leur donner la chance pour qu'ils montrent eux-mêmes leur talent. Ce n'est pas seulement euh, le côté intelligence, il y a le côté pratique, ils peuvent être, euh, comment on appelle ça, des techniciens, ils peuvent être, comment, des intellectuels et ils peuvent rester dans tous les domaines, comme les autres euh, qui ne sont pas des handicapés. Et je profite euh, de cette occasion pour remercier l'ONG ONEL, l'ONG Tofi et Monaya. Des spectacles, des poésies, de la musique arabe, les préaux d'école côte résonnent déjà des éclats des rires et de joie des enfants. La classe passerelle de l'école Côte franco-arabe dispense une éducation primaire aux enfants handicapés et non handicapés âgés de 9 à 10 ans prématurément déscolarisés ou non scolarisés. Notons que des dispositions ont été prises pour favoriser la scolarisation et répondre aux besoins éducatifs des élèves, particulièrement des élèves en situation de handicap. Suite de cette édition avec le lancement ce jour 22 janvier 2022 au complexe nigéro-turc de la première édition du Gala Abdul Abdelkader Ibrahim et Abdelraouf Deyabou pour ce reportage. C'est par ces chants et danses qu'a débuté cette première édition du Gala Wassayara, une édition qui a regroupé quatre grands établissements du Niamey au complexe nigéro-turc, à savoir le CSP Siloé, le CSP Asifa traditionnel et académie, mais aussi le CSP Palais du Savoir. Une cérémonie qui n'a pas laissé indifférent le comité d'organisation au regard du thème choisi, la scolarisation de la jeune fille. Le gala Waseyara qui a pour thème la scolarisation de la jeune fille et une activité culturelle des enfants et parents d'enfants pour une campagne de sensibilisation sur la scolarisation de la jeune fille. Et il est important de conserver cette tradition pour les générations à venir. C'est pourquoi je tiens à saluer et à féliciter les organisateurs de ce festival qui, à travers leur projet culturel, cherche à promouvoir et à donner des conseils aux parents des jeunes filles. Il est également heureux de constater que le présent festival ne se focalise pas seulement sur la scolarisation de la jeune fille. Je me réjouis que le comité d'organisation ait décidé de porter le thème de cette activité sur l'honneur du gala Wassayara. Des concours de danse, d'art oratoire, de défilé, mais aussi du karaoké ont marqué la suite de cette première édition du gala Wassayara au grand bonheur des différents participants. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.